auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue sur l'émission Le Niger Sokalango Kalango via nos radios partenaires. Merci pour votre fidélité à notre programme. Je suis Samira Wafi et à mes côtés pour la présentation, Mariam Adé. Bonjour Mariam, comment tu vas Ça va bien Samira et toi Oui, ça va, Dieu merci. Alors faisons aussi un petit coucou à ceux qui assurent derrière la vitre. À la technique, nous avons Moussa Ayouba et à l'édition Moussa Hassan. Qu'avons-nous au programme ce matin, Mariam Samira, comme d'habitude, nous avons nos rubriques habituelles composées des sujets variés pour nos auditeurs et auditrices au programme de la musique à 100% nigérien, du loti, de la culture linguistique, une rubrique hebdo qui parle de l'éducation numérique, la page sport et bien sûr le flash d'information. Dans la partie invitée, nous nous sommes entretenus avec le chef de canton de Tissawa honorable Monso Gani sur l'initiative communautaire qu'il a mise en place dans sa localité. C'est parti pour une heure d'infos et de divertissement. À présent, chers auditeurs, c'est l'heure du flash d'information avec Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Samira. Bonjour Mariam. Bonjour Nafissa. Nous débutons ce flash d'information avec cette information. Le gouvernement du Niger a signé euh, ce mardi 12 novembre 2024 à deux arrêtés distincts mettant fin aux autorisations d'exercice de l'ONG française Agence d'aide à la coopération et au développement ACTED et de l'ONG Action pour le bien-être à APBE. Les arrêtés signés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique et de l'administration du territoire ne précise cependant pas les raisons officielles justifiant le retrait de l'autorisation d'exercice pour ces ONG. Le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète, une maladie chronique grave selon l'OMS. La célébration de la journée mondiale du diabète 2024 à ce jour veut placer le bien-être au cœur de la prise en charge des personnes souffrant de cette maladie chronique afin de leur garantir une meilleure qualité de vie. Enfin, le ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, était hier sur le site d'entreposage de matériel électrique et à la centrale électrique de Gorubanda, objectif à s'inquiéter de l'avancement de la réalisation du projet WAP dorsal nord. Ce projet prévoit l'interconnexion électrique de 330 kW reliant le Nigeria, le Niger, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. Les travaux sont à différents niveaux d'exécution. La réception des lignes est prévue en décembre 2025 et pour les postes en janvier 2026. C'est la fin de ce flash. Bonne suite à vous. Merci Nafisa pour toutes ces informations. Chers, auditeurs, comme annoncé en titre, nous suivrons un entretien sur l'initiative de chef de canton de Tessawa. Mais avant d'écouter l'entretien, chers auditeurs, allons pour notre première note musicale de notre sélection d'aujourd'hui. Il s'agit du titre Anawaya de l'Orchestre National. C'est parti. muje double, double, double. s'est imposé sur la scène musicale de l'oba du nouveau millénaire en 2000, captivant le mélomane nigérien par sa vision enchanteresse de chanteurs talentueux et d'instrumentistes virtuoses. La formation incarne la diversité culturelle du Niger, offrant une palette musicale riche en nuances et en émotions. La performance live de telles nationales comme celle-ci sont réputées pour leur énergie contagieuse faisant vibrer les foules et célébrant la vibrante tradition musicale de leur terre natale, le Niger. bakkache Anawaya de Tal National. Retour au studio après cette pause musicale pour la première partie de notre entretien avec l'honorable Mansour Kanemegizo, chef de canton de Tessawa. L'année dernière, nos équipes ont fait le déplacement pour parler de l'initiative du chef de canton qui consiste à mettre en place des systèmes d'entraide pour la santé, pour un accès aux soins et aux poches de sang en cas de besoin via un échange de céréales ou d'autres produits vivriers qui peuvent être vendus à leur tour pour faire fonctionner les centres de santé. Il nous parle ici de comment marche cette initiative mise en place de 2019 à aujourd'hui. Il nous donne aussi les bons retours à récits dans le département à l'intérieur et à l'international. Il micro de Asman Aboubakar. Allah ba nasara nan da shekara guda bisa wata initiative da ake eh, initiative de chef de canton de Tissawa. To par rapport à cette initiative là, yo ina muka kwana. Eh, lalle aziman ba rawa haka allah ya kaku game da eh, sanar da al'umma irin husa'o'in da ake yi nan a cikin masarautar tasa da kun zo kun tara da abubuwa kamar na taimaka ma likita game da sulkar jini saboda likita wuri ne wanda damuwa da rashin lahiya tana kai kacin kuma mahimmanci masu zuwa nan kuma mutanen karkara ne mutanen karkara kuma masu ɗan ƙaramin hali to ita ko likita in ka komi ya kai ka dole sai ka sanu a aljihu to mutane in sun je nan abun aljihu yana dan ba su wahala kuma malati in ya zo bai ma shawara zuwa yake lokacin da ko baka shiga mai ba to shi yasa mutane in sun kashe likita bangaren jini suna da matsala da saboda sarkar jini sai da taki ka biyu da gabi to tun alaf dubu biyu da goma sha tara mun kawo ga husa'a ta karɓar tiya-tiya hannun talaka ana sai da ana sayan salkajini ana ba su kyauta a likita to allah ya taimake mu kowace shekara muna wannan husa'a bane yanzu ma haka kwanakin nan mun shiga tattara abinda allah ya sa an ka samu salka ta barau da an ka bada bara ta kare har ya kai nan da wata biyar wata da ake kira ga juin ga faranshi mun ƙara ba da salka 1,500 cikin 1,500 kin nan da muka ba da lucy juan exactement akwai dubu na manya da 500 na yara to salkan nan ina shi ba maki kwanakin nan an ce min dama sauran karto biyu ba maki ta ta kai ga kariya da na ce muku sai da kaɗai aiki amma yanzu koshes na likita ta sa da sun kaga mumun ga wannan abun da kayan talaka sai su ma sun kashe to abin da sarki ke yi wanda yake bada in ya kare su sai su ci gaba da bada har sarki ya sake shirya shi da dun basa in sun bada lokacin kuma sai tsaye da sai a ci gaba da namu haka muke yi shi yasa daga alif dubu da goma sha tara har yanzu shi shini kyauta ake bada ta ba talakam kaɗai ake ba abin ga na masarauta ta sa a department gaba ɗaya ake ba da hacin wanda muke tattara muke saida kuma duk wanda ya zo daga wani wuri ko daga cikin department ɗin tasa ba sarkar jini a tasa kyauta ce haka muke yin ta to ita wannan initiative ta samu karba ga sauran jahohi ko kasashe na waje yanzu haka akwai kanci lokacin kwara shi ma ya fara shekarar da muka fara tattara haci na miliyan hudu muka tattara shi kwamin kin shi ta hita mu yawa na miliyan shida ya tattara to ban san ba abin nasu ya ke tahiya yanzu akwai mayayi waga shekara nan da an samu kaman watakila wata biyar su ma yanzu kai da kai kullum karto biyu karto hudu karto hudu shine ne ɗari hudu da kuma yanzu haka akwai karto biyu suke nan salka ɗari biyu na yara wanda sun kai oda su ma suna tahi zab za mu tura musu su ma dai gaskiya sun kama hanya masha Allah to kuma kasar waje muna samun gayyata an kire mu Centrafrique an yi kire mu Bamako duk wannan abin dan dai kadai mu shi gaban sauran saraki ko ko mutane haka da gargajiya nasu mu yi wannan mu ka wannan bayani kuma UNFPA mai talaha mu cikin aiki sun aiko ɗan jarida sosai kuma an yi na rubutu an yi kuma na ɗoka na bidiyo na hoto da komi suna watsa cikin duniya saboda a gani abin da ake yin tasa ko wanda Allah ya ba iko sun ka za su koyi su ma su yi su gani wani abin zai musu. To ya gwamnati ya karɓi wannan husara ta uku. Gwamnati balle ma a ce bangaren minista na kiwon lahiya minista na kiwon lahiya wancan Ilyas wanda ya sauka da shi ya mace ma ya yi niyya zai ni eh, abin da suke kira ga horon shi abin da ne yabo da ake kira medal de bronze de la santé to sai Allah ya sa eh, kana naka Allah nashi Allah ya sa ya samu wannan dama ba to amma bakin gulgudu dai su dai nan da suna mu godiya amma dai mu da muna ci gaba da yi da tun da wani al'ummar mu amma banda wannan dai har zuwa yanzu dai ba mun ga dai C'était la première partie de notre entretien, chers auditeurs. Nous allons encore souffler en musique avec les titres suivis du groupe de rap MDM Crew. et que je, je, rêve de toi. Tu me donnes envie de planer, ma suite quand je te vois Tu me fais danser, baby quand j'entends ta voix. C'est ta sœur qui était ma reine, fais de moi ton roi. Dis-moi que tu fais de moi juste et tu verras ce que moi je ferai de toi, ma sweet girl. My heart cries only for you. I do not see that for you. My baby says for me and I will rain for you. Ah, baby girl, t'es ma sweetie angel, let me fly with you. My baby, baby, my sweetie, sweetie, my lover, lover. Your beauty unto my eyes yata. Oh my lady, beauty my eyes. Toi et moi c'est pour la vie, la Allah qui de C'est toi que j'ai choisi, your beauty onto my eyes. Devant Dieu, moi j'ai fait le serment de t'aimer, bébé, pour la vie. Bébé eh. Baby girl, crois-moi, crois-moi, c'est pas pour une seule nuit. Eh. Quand je te regarde, et quand j'entends ta voix, quand je te regarde, et quand j'entends ta voix, l'amour, quoi de plus bon que toi, sans toi, sans aucune raison de vie. I am so happy, cette fois j'ai trouvé ma darling. I am so happy, laisse-moi t'appeler ma hope. J'aurais bien aimé être ton ombre, t'accompagner, te protéger du mal qui nous encombre. T'es ma flamme, notre avenir, le rapide qu'on sombre. Pour sceller notre union, je combattrai tous les hommes. Baby girl, sans toi ma vie ne fait pas des personnes pour rien ne me branche. Je suis animé que par les deux vous Baby girl, c'est grâce à toi que je me tiens debout. Je ne veux pas me séparer de toi, pense tout. Oh, baby, oh, que t'es belle. Pourtant, j'initierai un amour, le plus Nobel. Comment moi ton nom, sera celui de mon futur label. Le compte de tes lèvres me rappelle beaucoup celui le Baby, baby, ma sweetie, sweetie, my love, my love, Your beauty unto my eyes. Masuriyata, wayo aminiyata. Oh my lady, your beauty unto my eyes. Toi et moi c'est pour la vie, Allah qui C'est toi que j'ai choisi, your beauty unto my eyes. My baby, baby. Le groupe de rap nigérien Mdienko incarne l'espace de l'authenticité artistique et engagement culturel formé par les frères talentueux Majestic sous et Sir Muslim. Leur parcours musical a débuté en 2004 avec le titre emblématique La Faute. Ce duo exceptionnel ne se contente pas de maîtriser l'art du rap, mais s'insère également avec leur voix porteuse pour les jeunes, évoquant des questions sociales cruciales. Toi moi c'est pour la vie, que j'ai choisi, my baby, baby, my sweetie, sweetie, my lover, lover. Your beauty unto my eyes. Masoyata, why you aminiata? Oh my lady, your beauty unto my eyes. Toi et moi c'est pour la vie, Allah qui garde la nuit. C'est toi que j'ai choisi, your beauty unto my eyes. We can happy. là les titres suivis du groupe MDM Crew. Allons pour la seconde partie de notre entretien. Honorable Mansour Akane Megizo revient sur les efforts fournis pour faire de cette initiative une continuité. À part cela, ils font également des efforts pour le maintien de la jeune fille à l'école en, assurant la scolarité des jeunes filles par escorte. Il est toujours au micro de Asman Aboubakar. kurke a samu wannan initiative ta, bunƙasa cikin ƙasa ko ko ƙasashen waje. To ka san babban ƙoƙarin mu kan mu hwasa mu ci gaba da yi. Mu ci gaba da yi shine babban ƙoƙarin mu na hoko. Na biyu Allah ya taimake mu kana ce mu kuma da tsare da ƙungiyoyi kamar irin su NFPA suna ƙoƙarin watsa wannan abun a duniya ba ma Afirka ba har ƙasar waje ma. yanzu ma ba maki baɗin Allah da da wani taro buskan za a gaita mu buskan haka kuma nisa ne da Afirka. to wa'annan suna kokari kwarai kuma Allah ya taimake mu ana samun jaridodi kaman ku kaman eh, lusail wani lokaci ko kuma ortn in Allah ya sa ana yi ana kiran su suna zuwa suna doka suna watsa ana gani to komi sai Allah ya yarda amma akwai kyau ba cikin tasa ba a ce ko ina ko ina ke da kuma sauta kenan cikin kasan Nijar gaba daya al'umma na ɗauke ma gwamnati wannan nauyi na sarkashi ne shi dai sulkai jinin nan tiya guda ne in hankuna da haci tiya guda ne in shinkafa gare ku kuna iya tiya guda in dabino gare ku kuna iya tiya guda in ku kun yi karfin bangaren kihi wanda suke rayuwa bangaren da ke kowa sosai sai ku gani irin adadin za ku yi in kuma kun yi bangaren riɗi sai ku gani in kuma tattasai ne ko salati sai ku gani abin za ku yi shi dai abu ne wanda kowa na da shi a gidan shi mai mutum da su a gidansu za a tattara gwamnati gwamnati al'umma na mutu yawa ta bakin kokarinta amma al'umma na mata yawa amma tun da dai mu wanga abin namu yayi in dai yayi nan tasa to Niger gaba ɗaya na yi duk al'ummar ga ta Nijar ko ina akwai abin da za a iya gyara a sarrafa a tattara ko ana ka ba da tiya guda a shekara ana baka sarka jini kyauta balle mata masu aihuwa suke bukatar sarkashi ni biyu uku wata rana guda hudu duk kyauta ne in abun an same shi sosai ba sulkan shi kadai ake bada ba haɗin malati ake ɗauka likita in nan zuwa yami in zuwa zuwa yami inda likita ba da mota mun ba da mai a liga to a shi kai shi kyauta a mai doshi to ai wannan abun aiko in an soke mu in an soke mu gwamnati wannan nauyi lalle kasan za a ci gaba wannan bangare ko dan ma ba bangaren kiwon lahiya kadai muke wannan kokari ba muna kokari bangaren tsaro na al'umma misali bara kom akwai matsala ana yawan dare dare gidajen mutane kuma dai ga lamarin yara ɗan mata da yara samari abubuwa sun fara yawa allah ya taimake mun kai wata fusa'a ta karɓi kuɗi nan wurin 'yan kasuwa allah ya taimake mun samu huce miliyan uku kuma bana mun samu miliyan biyar ina shi da ɗari takwas da talatin da biyar gudunmuwa wanda da guard da police da gendarmerie an ka ba su mai kai har injin mota an ka sai musu kutum an ka azama mota um, gajiyayya saboda su samu mota uku zuwa hudu suna hita da daga suna yawo saboda a rage yawan dare-dare kuma a rage yara ɗan mata masu kutum ma suna yawan jima cikin washe ba su abin da suke ba ko kuma ba su abin da ke da su ba bangaren lokal kuma mun yi wani kokari a bara na an samu abin ga tabulban guda dubu da kokarin al'umma da kuma da goyon bayan kungiyar nan nishar Telecom da sun ga mun yi kama gudun mun kai guda dubu saboda a watsa cikin kananan lakwal saboda a hage yawan ganin yara kaɗin kananan zamani ƙasa a cikin klas to bana za mu cewa dai alhamdulahi shekara ta zama yanda ake so ga manoma ga makiyaya da duka 'yan nishar wani galgadi gare ku bisa ga mutane su samu su tana da wannan abun da aka samu kuke a samu amfanin shi a cikin lokaci mai yawa to na ji ka ce mini bana damuna ta kyau ma ka muke tsammani sai da muka aika dan nan hu da sauran su sai da shi kuyan kuka na ta dawo mini ana ce kai damuna na hoya nuke tsammani ashe ashe baka nan bane kuma ya tambaye masu gaza sai ce mini eh haka nan ne damunan nan wuri wuri akwai matsala na ga kuma bana hacin bayanin ga zo mu kamar yadda muka kan gaishi bara ko ina muka tambaya sai a ce to an kai haka nan sai a ce kuka ke da kai kuka ke da kai kuka ke da kai wani nan abu bai yi ba na abu nace muku to mun da abin kwalta mun da abin hanyoyin sai mu ganshi gashi nan alama wannan labari da bani mamakin da kaina to shi yasa na gama ganar kudin haci yana gauga hawa to ina gudu wannan labari ya zama shine to shi dai waga sa'a da ikon Allah daga dashi ake yinta komi kalilin abin da aisa an ka samu an ka tattara mu za mu ma haka nan a samu a cigaba da yi in an da wuya ma a yi da daɗi ma a yi in Allah ya yarda amma ga wata husa wadda na mace hudu muku wadda muka tanada tun ba gasuwa bana yayin da muka saba sa ya dan mata lokal bana ma mun samu ku yafiya na ka mu mun ɗauki yara ɗan mata guda talatin masu brevi ba su komi sai zaman gida an sa su cikin wata ecole professionnel ta koyon aiki amma ba aikin hannu ba aiki dai tukunan aiki tun da sun kare sai kama aiki ecole professionnel wadda take nan a tasa guda talatin mun rubuta su an ba su kayan aiki gaba daya an biya musu lakwalkin gaba daya kwanakin nan sun ma zo an ba su kayyuka da kayan aiki har tuni an ba su sun yi dukan su Allah ya taimake mu daga premier année sun yi passé deuxième année kuma za su tsaya troisième année kuma daga premier année har troisième année za a ɗauka nauyin su gaba ɗaya kaf kuma za mu bi sau da kafa saboda abin ya yi tasiri kwarai da gaske. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'ère de la rubrique hebdomadaire et on va parler d'éducation numérique avec Ousmane Mamoudou, responsable du desk numérique et rédacteur en chef adjoint du studio Kalango. Bonjour Ousmane. Bonjour Marie, bonjour à tous. Bonjour, euh, aujourd'hui nous allons parler euh, euh, du bruit que fait ce sujet sur les réseaux sociaux, le teslaphone. Est-ce que ce téléphone va vraiment voir le jour pour en parler aujourd'hui Ça sera bien sûr avec toi, alors nous t'écoutons. Alors oui, euh, donc euh, ce sujet-là, quelque part, révèle à quel point les rumeurs peuvent prendre de l'ampleur dans l'univers de la tech. Ce qu'on peut dire d'entrée, c'est que ce fameux euh, Tesla phone n'est pour l'instant qu'un mythe. Alors pour rappeler un peu, c'est quoi Tesla Tesla, c'est une des nombreuses entreprises dirigées par M. Elon Musk, donc qui possède aussi Starlink, SpaceX, qui possède aussi le réseau social Twitter, etc., etc. Et donc Tesla est vraiment dédié euh, aux véhicules électriques et aux énergies renouvelables. C'est une boîte qui est vraiment beaucoup réputée pour ses voitures innovantes, souvent qui ont de la conduite autonome, qui se conduisent souvent toutes seules. Euh, elle illustre aussi, euh, elle, elle aussi cette entreprise dans le stockage d'énergie et les panneaux solaires. Qu'est-ce qui alimente cette rumeur Pourquoi tant de gens croient-ils au lancement imminent d'un téléphone Tesla Alors, la rumeur d'un TeslaPhone. Tesla phone persiste depuis déjà plusieurs années, ça date pas d'hier ou d'aujourd'hui, et elle a été nourrie par l'image avant-gardiste de Elon Musk et l'innovation constante chez Tesla. Alors les fans de Tesla, donc la voiture, en voyant euh, la marque lancer euh, des produits souvent insolites, comme des boissons, comme la tequila, il y a une tequila aujourd'hui euh, de marque Tesla, il y a aussi une bière de marque Tesla, se sont dit, mais un smartphone pourrait être euh, la prochaine surprise euh, que Elon Musk va leur faire. Alors de plus, certaines vidéos générées par l'intelligence artificielle et de faux articles ont commencé vraiment à renforcer cette idée. Alors pourtant, Elon Musk lui-même a confirmé récemment que Tesla n'a pas de projet euh, de téléphone en cours. Il a dit quoi dans ses réponses, Elon Musk Alors la question lui a été posée le lundi 4 novembre dernier dans un podcast animé par Joe Rogan. Alors Joe Rogan, euh, c'est un humoriste et un commentateur de l'UFC. Donc l'UFC, un sport de combat, je pense que beaucoup ont vu des vidéos de ce type de combat où on voit deux personnes dans des cages euh, qui se <laughs> boxent vraiment violemment. là-bas. Et donc voici euh, la réponse que M. Musk a donnée à, Joe Rogan concernant cette question du Tesla Phone. Je le cite. Tesla est mieux placé que n'importe quelle autre entreprise au monde pour créer un nouveau téléphone, qui ne soit ni Android ni iPhone. Mais ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons faire, à moins d'y être obligés. Fin de citation. Mais alors, euh, Elon Musk euh, ne fermerait pas totalement la porte à cette idée Oui, en tout cas, c'est ce que sous-entend sa réponse. Alors, Tesla pourrait envisager un smartphone si certaines circonstances extrêmes se produisaient. Par exemple, si Apple et Google devenaient trop restrictifs sur leur système d'exploitation, par exemple en censurant euh, des applications. Mm-hmm. Mais à l'état, euh, Tesla n'a aucune intention de concurrencer directement euh, l'iPhone ou les téléphones Android. Ok, pourtant certains éléments du contexte actuel semblent propices à l'émergence d'un téléphone Tesla ou bien Oui, alors, M. Musk c'est quelqu'un qui s'oppose de plus en plus ouvertement euh, aux géants de la tech comme Apple parce qu'il les accuse de trop contrôler les applications disponibles sur leur, euh, plateforme. Et ces projets en intelligence artificielle comme Grok et ses ambitions pour son réseau social X, anciennement Twitter, montrent qu'il souhaite euh, plus d'indépendance. Mais il faut rappeler que les produits Tesla mettent souvent plusieurs années à être développés. Donc même si l'idée mûrissait d'un smartphone euh, Tesla, il est peu probable que l'on voit un Tesla phone dans un futur proche. Si je récapitule Ousmane, le Tesla phone reste donc un mirage technologique pour l'instant. Absolument. Alors ce mythe montre aussi euh, comment les rumeurs circulent et se renforcent à mesure euh, qu'elles sont relayées. Mhm. Ok. Merci bien Ousmane pour cet éclaircissement. C'était vraiment fascinant. On se retrouve à jeudi prochain pour un autre épisode d'éducation numérique. À la semaine prochaine. C'était la rubrique hebdomadaire à chers auditeurs et notre tour à musique. Et cette fois-ci, on vous offre l'un des titres les plus anciens du rap nigérien Fonda du groupe Waswang. En kiffe. Original Roots. Nas,

was a gun on what I was on for far. Les bons ah, sont là, les bons sont là. Ma sabo je les fonda, yes. Dingiza, dingy dingiza. Give me fonda, ma wasafa. Hey, kocha ma kora gama. Hey, je was a gun on what I was on for far. Les bons sont là, les bons sont là. Hey, now they was manga, please don't wanga, they was sneakers. And niggas I'm a once a fan, nigga was once a four fan. J'ai choisi ma voix, against la communauté d'Atari. Ces questions sans pitié, flotte, mange, lac de clichés. Le songe qu'à faire des mondes en emportant dans ma société. On boy, we ready to fight, don't lie, don't be afraid to die. I got a dream cause I wanna fight to touch the sky. This world seems forbidden and dream. My brother's game, root, root, the right, simple like me, my family. From the personality, way past home. I got a shame for people who check my tradition. As an some destruction. I follow the voice of Jimmy as a solution for them. I got a power to punish all these motherfuckers. Iblis, or just wait my area. Don't worry, broad hood breed, I got a nilla. In that true company, I'm just soldier. The soldier of was wanga. Écoute la chimie fonda. Dingiza, dingy dingiza. Give me fonda. Mawazava, hey. Kujama gama. hey. Subazagano, mura wasansi forufa. Leposola, leposola, hey. Masamo jame fonda, hey. Give me my boss kuongeza kimifunda mabwasafa kucha magora gamba chapazakano mora wasansi forufa le posola masamo jone konda naka naka ne naka naka naka ne ama ala wadan nakshilala jisi mem langa fon fouille, des fake fouilles, des mecs sans bouille qui sans cesse mouillent. Le parcours d'un sale magouille, mais ne sont pas de l'embrouille. Ne brûle ne serait-ce que l'andouille que de la cour de ghetto. Et pas dans l'underground, bari bari bari Waswanga, fruit de la fusion visionnaire de Wangari et Wasika en septembre 2000, incarne l'essence vibrante du rap nigérien. Et oui, leur premier opus Anazua émerveille en 2002. En 2009, Wasson confirme son empreinte indélébile avec Timmy Fonda, un deuxième album audacieux qui transcende les attentes. Ça la cible c'est toi, lui ou peut-être moi, juste pour avoir la vérité. morogama sebese gano mora wasansi forufa

Nous C'est tout simplement que la fuite tombe dans un de d'œil En tout cas, moi je sais que dans le temps, la belle nation d'hier, elle ne réglait pas les comptes. Aujourd'hui, gens qui visent des places se proclament démocrate, une fois en place, ils passent au reclément de comptes. Ces ordures, on les arrête dans bas, son Moutigaba. Un peu Kintiki, Mouna, Wouti, Il Faut d'apprendre à me taire, tant que je vis sur terre et voir les choses pas claires. Non, ma tête se pas sur terre. Est-ce que Dingue, dingue, ça. Kirby Fonda, ça va. Hey! vous qu'un homme, voilà, on sent c'est fort ou fort. Les potes sont là, les potes sont là, ma salle, je réponds là. Dingiza, dingi, dingiza, give me fonda, ma voix se fa, moi, je me gola gama. Si vous êtes qu'un homme, voilà, on sent que c'est fort ou fort. Les potes sont là, les potes sont là, ma salle, je réponds là, yes. Dingiza, dingi, dingiza, give me fonda, ma voix se fa, moi, je me gola gama. Si vous êtes qu'un homme, voilà, on sent que c'est fort ou fort. Les potes sont là, les potes sont là, ma salle, moi, je me fonda. C'était le titre Fonda du groupe Waswang. On passe à reportage région et pour cela, nous restons dans la capitale. À Niamey, quelques jours après la rentrée scolaire, la quasi-totalité des écoles n'ont pas encore exigé le port de la tenue scolaire dans leur établissement, une situation qui est diversement appréciée par les élèves. Notre reporter Habib Garba a voulu en savoir plus sur le sujet. Pour cela, il a fait le tour de quelques écoles de la capitale. Voici son reportage. Nous sommes au CS Quarkan Nord, connu sous le nom de CG25. Il vient d'être 10 heures, c'est l'heure de la récréation. De la cour, nous rejoignons un groupe de filles en train de prendre leur petit déjeuner. Parmi elles, Leila, élève en classe de première, elle est vêtue d'une tenue bleue. En pagne. Elle a hâte de porter son uniforme, jeep kaki et chemise bleu ciel. Le lundi qu'on va porter la tenue, c'est pour cela. Maintenant, je ne vais pas porter la tenue. Comme maintenant, c'est pas obligé de porter la thune. on porte les habits, à chaque fois que tu parles à la maison, tu laves les habits, truc. Une semaine là, c'est bon. Je n'ai pas augmenté, c'est bon. Concentrée sur son smartphone, Salamatou, dans sa tenue arabe appelée abaya, certes, elle se sent à l'aise dans son style, mais estime que l'uniforme est indispensable. Maintenant, je peux porter cette tenue que j'ai. Et si je sors, les gens de la rue ne peuvent pas savoir que je fréquente quel établissement. Ils vont juste que je pars en ville comme ça. Mais à travers la tenue, ils vont savoir que d'où je viens et d'où je suis. De l'autre côté, Abdourachid, élève en classe de 5e, habillé en jeans slim et chemise sans manches, pour lui, c'est une véritable aubaine de montrer ses swags. Il estime que le port de la tenue scolaire doit encore attendre. C'est pas c'est juste un choix que bah chacun bah s'habille comme il veut. Sinon, c'est pas bien de venir en public avec des vêtements bizarres. Mais si tu t'habilles convenablement, mais si tu t'habilles, mais si tu t'habilles bien, toi-même tu sais que c'est bon. Selon les responsables de l'établissement, cette période d'une semaine a été donnée afin de permettre aux parents d'élèves de confectionner la tenue de leurs enfants. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Bonjour à tous. Dans la page sport à présent, nous allons parler de la Fédération nigérienne de handball qui a organisé plusieurs activités entre fin octobre et début novembre 2024. Dans ce cadre, à Niamey, un tournoi se tiendra à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche à 17 novembre. Ce tournoi concerne le club FDS civil, les équipes féminines seniors et les centres de formation. Écoutons Amadou Amadou Tidjani, secrétaire général de la Fédération nigérienne de handball au micro de Salamatou Kadri. Puis le 19 octobre dernier, nous avons commencé la troisième édition du tournoi zonal de handball ici même euh, à Niamey. Alors euh, la zone numéro 1, c'est euh, consacré au centre filles et garçons de Niamey, donc à l'issue euh, de ce tournoi. Euh, c'est le centre poids qui a été euh, sacré champion en catégorie filles et catégorie garçons. C'est l'AS Control de Niamey qui a été sacré champion. Les compétitions des centres, nous avons directement enchaîné du 24 au 27 octobre dernier avec les clubs seniors à l'issue de ce tournoi. C'est l'AS Garde nationale du Niger qui a été sacré champion en dames et Police euh, Par rapport à la zone euh, numéro 2, nous avons organisé les compétitions du 6 au 10 novembre 2024 euh, à Niamey pour les centres et pour les clubs seniors catégorie centre, c'est l'Union sportive de la mairie nationale qui a été consacrée championne en garçon. Au niveau des seniors, c'est l'AS Université Aboumoun de Niamey qui a été Sacré euh, championne en dames et l'AS Stade de Niamey qui a été euh, euh, sacré championne en hommes. Donc voilà pour les zones numéro 1 et numéro 2. Pour la zone numéro 3, les compétitions vont se dérouler bientôt à Zender et ça va regrouper la région de Zander celle de Maradi et celle d'Agadez et celle de Tawa. Donc euh, voilà pour euh, le tournoi zonal. Maintenant, indépendamment ce tournoi zonal, euh, nous allons commencer aujourd'hui 14 novembre des clubs FDS, Force de Force de Sécurité, la Coupe des clubs civils celle des équipes féminines et la Coupe des centres. Donc il y aura quatre compétitions c'était notre page sport, chers auditeurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé de 38 minutes et c'est l'heure du portrait. Et oui, Samira, aujourd'hui nous allons découvrir ton portrait que j'ai réalisé. Et mariée et mère d'une fille, Samira Amadou fait partie des jeunes journalistes du studio Kalangu. A rejoint l'équipe numérique du studio Kalangu en décembre 2019, elle était loin de s'imaginer être une des journalistes incontournables du groupe. Par sa curiosité et son désir d'apprendre avec un stage de quelques mois, elle obtient un contrat de pigiste en mars 2020. Elle nous raconte comment elle a atterri au studio Kalangu. J'ai atterri à Kalangu au moment où l'équipe jeune était en train de beaucoup travailler sur des choses. Donc, euh, les membres de l'équipe jeune voulaient se consacrer sur l'équipe. Donc, on a fait appel à moi pour euh, remplacer Olivier qui était euh, chargé du site internet. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Kalangu pour m'occuper du site internet et de rédiger des articles. Et après, j'ai continué dans le journalisme. À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai 2023, Samira Amadou a été honorée par ceci par un témoignage de satisfaction. La jeune mère nous exprime l'immense joie qui l'anime face à ces témoignages. Oui, j'ai reçu un témoignage de satisfaction par rapport à l'appréciation de mes supérieurs euh, sur euh, mon travail euh, et je vois vraiment ce que cela implique car seul le travail paye. À présent, mes tâches ici à Kalangu, je touche un peu à tout. C'est après son mariage que Samira a failli mélanger les pinceaux, mais grâce à son esprit de discernement, elle a su s'adapter, elle nous raconta. Ça a commencé à être compliqué après mon mariage, car à cause de ça, j'étais obligée de déménager après mon bébé parce que euh, je ne pouvais pas rester euh, dans un quartier où je ne connaissais personne. Euh, je crois que c'est bon. Le matin, quand on vient à la conférence de rédaction, on attribue les sujets et c'est de là que je fais mon travail ici. Et quand je rentre à la maison, je fais ce que j'ai à faire. Ce n'est pas vraiment difficile à concilier. Mustapha Mamansani, rédacteur en chef adjoint du studio Kalangu, est très satisfait du travail de Samira, une jeune journaliste exemplaire. Elle a quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire vous ne dites jamais à Samira la même chose deux fois. Euh, c'est vraiment euh, quelqu'un qui fait la fierté de la rédaction du studio Kalango sur tous les desks. Elle est, vraiment, elle surfe sur presque tous les desks. C'est vrai que c'est un peu, on a l'impression que c'est un peu éparpillé parce qu'elle est dans tous les desks, mais en réalité, elle a sa façon de se construire et la façon de s'organiser. Samira est aujourd'hui l'exemple parfait que la polyvalence reste la mère arme pour avancer dans la vie professionnelle. C'était le portrait du jour, chers auditeurs, et notre tour en musique avec euh, Tunguma du groupe euh, Kaidangaskia. on the mic, goes. Give it all, give it all. Hun, hunno, hai bu swagin sabu. Ngole min kozu. Hey, fam. Mana mana mano. Hai min lady. Hey, bitch. Ngole ma. Sipam galala chimino. Ai, no nigga wo, wo, nin. Hey, nigga nigga stop. Nin, nin. Hey, fam. Mana mana mudu. mate ni maleka nan amante tale me wanda chande waje ni kabore bankande oh, wo iwe ka baino boga maninga hera barande bade ni mete ni himini machara mahajirze yange iwe ka tonye bankande wo oh, aine no kamboga mausi ha Ibaba yayo asinda yenge asinda chonye lekal kanaina himama kande hibino no no de na hadensa wana mantuka yanno wana wana yanno haifonye zo hibino no no de na. bandero, bacandino, oh, my hands I tell you I'm the best. Best? Dicono som le best. Hey, fuck tu no left. Yeah, the nigga survive come over. Bancante, si jamba bisley. I, I can take say I don't care what I can say. Listen up, nigger bande. Gonna man kuna chinsi, so I come and samurai. Hey, mana mana Michael, I name Michael, he didn't know this. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, one man a man, two lama. Hey, two, two lama. One man titre Tungama du groupe Gaskia, le premier groupe, bien sûr. Passons à présent au loti. Et aujourd'hui, il porte sur le contrôle parental sur la télévision, les téléphones, Android et tablettes pour des enfants pour éviter d'exposer ceux-ci à certains contenus non adaptés à leur âge. Rekia Arimi et Fanta Shamsou nous présentent une situation, on les écoute. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji wai wai wai wai wai wallahi mun kwaso gajiya barka roma ai barka ka dai ke dai bari yau mun kwaso gajiya sosai ai gajiya kai akwai ta to wai ma ina yaran suke ai ya ci a ce sun sabko daga makaranta tun ɗazu lallai dai kam to duwa ki gani watakila suna cikin ɗakin su bari in je in duba kake shirin gani? Me kake kallo? Subhanallahi, kashe mini wannan kwamfutar, kowa ya koya muka kallon wa'annan mugayen abun. Bari babanka ya zo, za ka gane kurenka. Hmm. Ke, ƙawata, wai lafiyar ki kuwa? An ya kina jin da kike ihu haka, ko ina ana jin ki har bakin kofa. Hmm. Ruma bari abun ne ya fi ƙarfi na, ai ma dan baki ga abun da na gani ba ne. Marwan ke kallon irin mugayen shafukan nan na yanar gizo akan kwamfutarsa. Kwamfuta kuma? shi yanzu wannan ɗan mitsitsin yaron har da kwamfuta kuka bashi. Haba, to don ya mi da ita ma wai. Ai wai abokanansa na makaranta ne ya gani suna da shi, ya zo ya ɗora wa baban shi kuka sai an saya mishi guda, sannan baban ya sayo mishi. Amma yanzu, kin ga wannan al'amarin ya fi ƙarfi na wallahi ruma. Komi muka gaza a cikin tarbiyyarsa. Ke ‘yar uwa, kwantar da hankalinki kin ji? Ai ba zancen tarbiyyar da kuka baiwa ‘ya'yanku ba ake yi a nan wurin. Masu ɓata sun nan, a waje ne suke. shi ake magana a nan. Kin gane wato mugayen abokai. A makaranta ko cikin anguwa? E mana, ai ni ma na samu irin wannan matsalar kwanakin baya da ta safi. Jan Allah, kuma baki taɓa min magana shi ba. Da gaske ko nake miki ƙawa, amma fa akwai mafita a nan. To, taimaka mini ƙawa ni dai wannan abun ya ɗarme mini kai sosai. To, da farko dai ki sani, kariya da tarbiyyar ɗiyanki tana da dangantaka da kulawa da su, kamar kulawa da fita da dawowarsu. da kuma abokanan da suke yawo tare amma fa ba tare da kin sha musu kai ba sai kuma kin lura sosai da abubuwan da suke yi akan yanar gizo kuma zan ƙara jaddada miki kar ki matsa musu karki ki tsatsare su karki tauye hakkinsu. Wai, ni kaina, to yaya ma zan iya yin wa'annan abubuwan duka da kika zana mini? Ki sani incin da ke gare ki a matsayinki na uwa bai da sauƙi ko ɗaya don idan kika matsa ma yaro zai iya kan gare miki gaba ɗaya ya kumbishire miki a duk sanda yake ƙara girma sai kin kama jikinki sosai. Don Allah ki rage wannan dogon ilimin naki, ki tsaya, ki mini bayani da kyau akan yadda kika magance matsalar ki da iyaki. To in dai har akan kwamfuta ne, abu mafi sauki shine ki samu manhajar nan wanda uwaye za su iya lura da duk abin da ke faruwa akan kwamfutar ɗiyansu. Ki sauke ta akan kwamfutar shi. Sak za ki rinka ganin duka wani abu da yake yi akan kwamfutarsa. Kuma duka irin mugayen shafukan nan za ki iya taushe su yadda ba zai iya hawa a kansu ba, har da mugayen firarrakin nan ba zai iya yi ba. Hmm. kuma yana aiki da kyau. Ɗari bisa ɗari mako, in dai har ba kalmar sirrinki suka gane ba. to baki da matsala ko ɗaya. Dan idan yara suna hawa waɗannan kafofin na sada zumunta kamar su Facebook, su twitter su instagram kinga suna iya yin hira da waɗanda ba su sani ba kenan kinga akwai matsala a nan wurin kai wannan abu kamar da wuya yake wai an ce gurguwa da auren nesa ko ɗaya ƙawata kawai dai zai ɗaukar miki yan kwanaki ne kinga idan mai gidan na ke zo ku firanta a kai don ku samu ku fara tun wuri kafin nan bari ki ga in tashi in kwace dukkan wa'ansu na'urori da ke hannu shi da yan uwashi. shi ai bari ke dai yau kin taimaka min kin wayar da kaina Na gode sosai ƙawa. ai ba komai ƙawa mu mu uwayen ɗiya. Chers auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ces studios, nous sommes aussi en compagnie de Nyali Abdelmoumouni, journaliste traducteur en Fulfulde pour la culture linguistique. Nous allons découvrir ce que le mot qualité en Fulfulde. Bonjour Mariam, bonjour Samira, bonjour chères auditrices, et bonjour chers auditeurs et bienvenue sur notre rubrique culture linguistique de ce jeudi 14 novembre 2024. Notre mot du jour est la qualité. Ce mot a été expliqué en français, en anglais, en haussa et en germain. aujourd'hui bien nous tenterons de l'expliquer en fulfulde bandiraɓe barkinaɓe hettinaniɓe sigilaji niger sur kalangu kordiam weti he moɗon on jaɓɓama duni fa hannden ɗo sigila meɗen nantinde kongi hande alkamisa sappo enayi lewru février hitan duɓe ujunaɗi ɗi elaso enayi min gari nantinde kongol franciré qualité na bien boɗirka hunde na gollal sappo e goho lewru novembre hitani fuu iɗum waɗa ñalowma batu ittanaɗo duni fa hannden boɗirka kulle na bien golle batu ngundu ni no waɗe hitaane fuu nder leyɗe duniyaaru ngam sembinɗinde waɗoɓe kulle ɓeyde ñoñude nder golle mu'en ɓe keɓa dunde fa hannde en yahdu yeeso banndiraaɓe en cembinɗinodir wakkati warde wakkati nder tefude ñeña ko watta dunde fa hannde yimɓe gi'a booɗirka golle ko gatten fuu bandiraɓe hettinaniɓe sigilaji studio kalangu e niger sur kalangu ɗo min daranto on barkini se alkamisa garo jare yeeso e de sigilaji studio kalangu e niger sur kalangu voilà tout pour aujourd'hui bonne continuation merci, merci. Voilà, chers auditeurs, si vous avez vous aussi d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au numéro 82 89 89 64. On écoute à présent les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. alma ga ciya da mi da ki bai da cimba makka da don don kari ballara studio kalangu fa karai irgo gini hangana alwatu kulu irgo ma studio kalangu e kan da na bare ga kan da bon ferayen alan da ga kan da kiti fonda yi faman da yan borai sai irgo gini hangan irgo ga mara irgo kan da na fazan irgo ga borai bon feri irgo ga wafa kai mo don borai da kyar gamara tontoni aga kan amma sohon matakan irgo ngai goye te dawo imagaban da ga irko makamu da ngise ngai go am koy da gina irman di go ga kayan do kadai hankan ga himan da burmun warai dai irko himma tontoni i igo yayi mu koy da gina tine gina dai ga umur mai kalangu kan ga ce wani n'o kan go ta yafo ai ga dibte hare kai kan go sandire ai ga nafo ai ga li chajal koy kan go ne ballar taraku kan ga ce wani chora ai go ga nafo ingan ninga wani almayalai kulu hadiz mamma nan da dai nake to balle yara eh, ina sauraron shi yanzu to ni dai cikin shirin nasu da suke yi dai a cikin wa'anda da na saurara su kai ga mata su tashi su yi tsaye su nemi sana'a ni shine ya burge ni tunda saboda yanzu mutane suna cikin zamani ne wanda ya zamanto komi na da tsada a rayuwa kenan in an ka ce a tsaya a dibi maza su kadai su doki gida kuma harkar na akwai matsala tunda saboda yanzu mutane gaskiya kuɗi ba na yanzu ba wani albarkan kirki gare su ba tunda kai ka ka ɗauki kuɗi gashi nan gudan da yawa ka je ka sai abu ma sai ka gani ga nan ka ɗauko shi a cikin hannu kenan dole mata su tashi su yi tsaye saboda a taimaka ma diya mm, tunda diya to ni da cikin wanda shiri dai wanda birgen dai shi dai ne to bisa ka abin na sani dai yanzu saboda wayan kan nan da ake maɗiya mata shi ma ke gani wani babban alheri ne tunda saboda mutane in su yara suna shorare suna ɗaukawa mu duka abin yana taimaka mana da bisa kai ga harkar biya maza mm. wajen kamar bara labaru mm. eh kamar to bara labaru dai abubuwan da ke faruwa cikin ƙasa wannan shi ma an mutum na shoraren shi dai akwai abin da kake saurare yana taimaka maka in dai in dai lalle ka na shurara ka ɗauka akwai abin da ke taimaka maka tunda shuraren labarun na ma shi wani babban alheri ne saboda ko su abubuwan da baka sani ba ga shoraren labari kana jin shi shi eh to in ina da mutane wanda zani gaidawa kai lalle tunda nan ga ina da wata uwa ta ma radio da lalle take aiki ita ma zara mai naram sunanta mm, tunda ta saba zauwa nan ga ta aiki tare da mutane wurin ga ita ma lalle ka ina aika gaisuwa na a gare ta saboda ina jin daɗin rayuwa a tattare da ita ai ma bi hagar abdullahi kan go balle yar shato ai ga hangan karanguya. karangu sigire wo kan ga kanai se sigir kur kan ai ma sanni kur kai ma radio fo bon mun ji kalangu ranai ma kule wo shaganda ai sai tabbata ni bai ma ranan go kalai ma hangan sigire yo kalunga imre hebo hanga dai mara sigiyo yo kalunga ne wuge yadda wodu no nangai wo ay fonda ki ga tim fonda no nan ai wo halho kan ina da halho do futta ge sigira ki bon fere ki futta ge no do wondi yai zai futta ge won je zai mata ki gi salan san no salan sai da mi hagwai dingai ba funi matki ta kulu an gai no na ne si korai do mo halho hayyan ngai do har zangai food way way hayai mata ki gite bendi dan ngai hayyan ngai ke gamara ki na ni ki gite si halho ngunu na ai aka ne si wodi yan kuli gaci ngunu na wallahi ai aka kane si se giro kigi te guru wacin du ay go sigir fo hangan niger su karangu ya kale se gum gum gum sigiro kan ba ga salan mm. futa bon na ga salan do na ga salan asenu ai ga to madalla sintina dai ai gir president to kan kin yalo ga fo ai ga malama fo hal ho ay ga bero nya fo ngamo hal ho ngamo iri hanga sinyanno ikulu go balle yarara ai ga ra jo kalangu bara me da me mu ai gi fa gi bani ha Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Masine, asite, masine, aifanta, masine, asite, Nakabende humanism. Irigazada din konbara. Pyjama mon frère. Le pyjama qu'il ma sœur, Le pyjama que je ne mon frère. Où que tu sois, ici même quelque part. Dis-toi qu'aujourd'hui ou demain j'aurai ma part. Lève ta tête, regarde l'image du ciel. Le jour, soleil, soleil et la nuit, c'est les étoiles. Après la pluie, c'est le beau temps qui s'entale. Inspirons-nous de ce mystère naturel afin de bien saisir que chaque chose a son time. Apprécie ta petite fille, remercie Seigneur car il a toujours aimé tout ce monde d'ici bas. Te voilà quand elle va t'appeler ma demoiselle. Tu partiras jusqu'au fond du septième ciel. Tu goûteras au bon goût du miel. Espère mon frère, garde à vous comme on s'en taille. Machallah, il te de dire qu'on baille. Y'a que Fosino, il te de dire qu'on baille. Machallah, il te de dire qu'on baille. Y'a que Fosino. Il de dire qu'on baille. Machallah, il de dire qu'on baille. Y'a que Fosino, il te sort de dire qu'on baille. Machallah. sa da dir koy bay nya do bosin dir ka sa da dir koy bay aste wo sino nya za arza ko kondo ir koy wano se for ga go jaji koy in ga da do no han fo se pay ka nasi de yal waga matun ga go ir mga bo su dai ir ko no dir ga ha hey ir mga bo su dai su ga ta no ga ga na wa hey yeah man Take a pussy no, irgazade dir koi bai. Mashallah. Irgazade dir koi bai. Nyaka pussy. Irgazade dir koi bai. Mashallah. Irgazade dir koi bai. Nyaka pussy no, irgazade dir koi bai. Mashallah. Irgazade dir koi bai. Nyaka pussy. Irgazade dir koi bai. Sahina dunia, komida lokaci. Tazamo talakai, wantanda arziki. babu mamaci Allah ya bani ni tun da bai da bambanci wannan musan da shi musani ya ga aiki mu mai da hankali mu ɗauko mai da zuciya guda mu tanadi musa hankuri wata rana sai ko labari mu tawakkali ga Allah ubangiji inda rai da lafiya zaka ci maburin ka inda rai da lafiya ɗan uwa zaka ci maburin ka idan ka dangana za ka cimma burinka wata idan ka hankura dan uwa za ka cimma burinka masha Allah irka za da dir koi bai ya ka fosi no irka za da dir koi bai masha irka za da dir koi bai ya ka fosi irka za da dir koi bai masha irka za da dir koi bai ya ka fosi no irka za da dir koi bai masha Seigneur. Le Niger sur c'est fini pour aujourd'hui à travers ce titre. Merci de nous avoir suivis. C'était un immense plaisir de passer une heure à votre compagnie. On se dit à demain pour le dernier numéro de la semaine avec un autre duo. Vous étiez en compagnie de Mariam et Samira Wafi. À la technique, c'était Mustafa Ayouba et à l'édition Moussa Hassan. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme à partir de 17h. Excellente journée à tous. Bye bye.